سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم علمنا اللهم يسر لنا خزائن علمك اللهم يسر لنا خزائن علمك اللهم اجعلنا من المت... من آه، اتقاء من آه، اتقاء رمضان بعوزتك يا رحمن الرحيم فيا ايها الساده الاعزاء اقرا عليكم التحيه آه، الاسلاميه الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Seigneur demande Allah qui a promis une meilleure, meilleure destination aux pieux. C'est-à-dire le paradis appartient à ceux-là qui craignent plus Allah. Allah dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous avons prié le salut d'Allah sur le prophète Mohammed, sur sa famille et ses nobles compagnons. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères, l'islam présente Dieu. Je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens élus du paradis qui n'est autre que la paix, la miséricorde, la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, chers frères, l'islam présente Dieu. Hier, nous étions arrêtés sur le verset où Allah subhanahu nous disait قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم Allah subhanahu wa ta'ala demande aux mécréants, aux pervers, qu'en pensez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala vous arrachez lui Il prenait votre écoute, votre oreille, vos oreilles, il fait que vous n'entendez plus et votre vision. Si Allah vous a pris la vue, et Allah subhanahu wa ta'ala scelle vos cœurs. Il scelle vos cœurs, vous, vous ne comprenez plus, le cœur ne réfléchit plus. Allah pose la question de savoir Man ilahun bihi en dehors d'Allah, qui d'autre vous avez qui peut vous ramener la vue, vous ramener lui, vous ramener votre esprit de discernement Qui Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit 11 heures. كيف نصرف الآيات ثم هم et allah subhanahu wa ta'ala dit Regardez, observez comment nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous démontrons nos signes, à travers nos signes. Tout le monde comprend qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, malgré ça, il y a les gens qui s'en détournent. Les gens qui se détournent de la vérité, ils suivent leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala par la volonté de Dieu. C'est ce verset-là nous allons démarrer où Allah subhanahu wa ta'ala demande aux pervers, aux mécréants, ceux-là qui sèment la turpitude sur la terre, ceux-là qui courent à la dépravation des mœurs. Allah les demande si lui, Allah subhanahu faisait que son châtiment nous vienne à l'improviste pendant que nous n'attendons pas à ce châtiment-là, si le châtiment-là nous surprenait, par où nous allons passer Où est la solution Chez qui nous pouvons nous chercher secours Nous allons chercher refuge où Chez qui C'est sur ce verset que, Inch'Allah, ce soir nous allons démarrer. subhanahu wa ta'ala bénisse et qu'il facilite la lecture du Saint-Coran à tout un chacun de nous. Et aussi nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension, l'interprétation du Saint-Coran à tout moment et à tout instant. Inch'Allah, sur ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question. Que vous ensemble Que vous ensemble Qu'en pensez-vous Si Allah subhanahu wa ta'ala le châtiment de Dieu vient à l'improviste. Vous êtes là, vous faites ce que vous faites. On vous parle, vous n'écoutez pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala envoie un de ses châtiments sur nous, c'est ça, il dit à l'improviste. On n'attendait pas à ça. C'est venu. Comment nous allons faire Nous avons une autre personne en dehors de Dieu pour l'appeler au secours. La nuit venue, nous sommes rentrés nous coucher. Dans la nuit profonde, une, grande, une grosse pluie, plus ça où il y a eu inondation. Si l'eau rentrait dans nos chambres et qu'on sort, qui nous pouvons appeler en dehors d'Allah de venir nous aider à évacuer l'eau là à côté de toi, celui que tu veux l'appeler là, dans sa chambre, il est inondé dans ta chambre, tu es inondé. Lui aussi dans sa chambre, il est inondé. Tout le monde a eu inondation dans sa chambre. Qui nous allons appeler au secours encore En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah voulait, il va laisser cette ville là-bas continuer. Des gens vont mourir dedans. Vous remarquez souvent les miracles d'Allah. Dans les pays occidentaux, Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance. On les et même ils font des recherches, ils trouvent que il y aura une grosse pluie qui va venir ravager tout. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala décide de cette pluie-là, ils ont une solution. Bien sûr que la météo là les annonce, n'est-ce pas La météorologie annonce qu'il y aura une grosse pluie accompagnée d'un grand vent. Ils ont vu. Est-ce qu'ils ont une solution à ça Pour arrêter ça Souvent, on vous montre à la télé qu'il y, a le, il y a eu feu. Le feu là, ravage tout dans son passage. Malgré les moyens qu'il dispose, le feu là va faire ce qu'il va faire d'abord. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala décide que ça s'arrête, ça s'arrête. Mais ils, ont, ils vont dire quoi Ils ont fait des efforts pour éteindre le feu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Si vous avez des moyens, arrêter ce feu-là. Il ne faut même pas laisser le feu-là va commencer. Est-ce qu'ils ont les moyens Alors, quoi Les Occidentaux qui se disaient, ils ont tous les moyens. Des hôpitaux, des médicaments, etc., etc., etc., etc. Ces petites chose Allah nous a démontré depuis l'année 2019, 2000, 2001, nous sommes en 2002. Chez d'autres, ce n'est pas encore fini. Le covid 19 Là où on fabrique les médicaments, les gens meurent. Mais là où Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça, mais il dit ici, ça ne touche pas là. Vous croyez que si ce qui se passait en Europe là, le tiers allait arriver euh, dans notre Afrique ici, on devrait gagner une seule personne qui va survivre. Nous avons quoi Nous avons des hôpitaux. Je dis simple palu. Simple palu. Les gens meurent en Afrique. L'hépatite B. Les gens meurent avant on créait Ebola, Ebola. Maintenant, on n'entend même pas parler de ça. Le sida, on ne parle plus. On n'en parle plus. Tout le monde crie, hey, Covid-19, Covid-19, Covid-19. Maintenant, ils sont en train de dire une nouvelle variante. Une nouvelle variante. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, si Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment vient à l'improviste, les gens ne s'attendaient pas, c'est venu. Ou à un grand jour, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, d'un jour comme ça, nous sommes dans la journée, Allah envoie son châtiment. Ou bien à une nuit, tout le monde est en train de dormir. Allah subhanahu wa envoie son châtiment. Nous avons une solution. C'est pourquoi il a demandé أرأيتم إن au عذاب au بغتة أو جهرة أو جهرة كل al ceux qui traitent de mensonges mes versets et au jour de la rétribution Demande-les. Si nous, Allah subhanahu wa ta'ala, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je fais descendre mon châtiment. Ajilan, Fuji par surprise, à l'improviste, j'envoie mon châtiment. Vous avez, en dehors de Dieu, celui que vous, avez, vous allez demander au secours, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala amène ça à, une journée. Dans la journée, tout le monde est sorti pour aller chercher quoi manger. Allah fait abattre son châtiment sur nous. Ou bien la nuit, que tout le monde est en train de dormir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal yuhulak illa Allah pose la question Qui serait détruit Sinon, des gens injustes voilà le droit chemin. Mais ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. On nous parle, on n'écoute pas. On nous parle, on n'écoute pas. Ce n'est pas loin pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous exterminer sur la terre. Il va envoyer ce châtiment, nous tous, on va mourir. Il va nous tuer. Et quand nous serons morts tous à cause de ce que les autres ont cherché, arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire son tri. Il va trier enlever ceux qui sont bons, les amener au paradis, et ceux qui sont mauvais dans le feu de l'enfer. Dans ça, qui va perdre Qui va perdre dans ça Bien sûr, vous avez laissé, à cause de vos erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous tués, n'est-ce pas Mais quand nous allons arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont bons, Allah va les trier, amener au paradis. Maintenant, ceux qui sont mauvais vont aller à l'enfer. Entre les deux groupes, qui a perdu C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset Wattaku fitna. La tusibanna allazina zalamu minkum khasa. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Craignez-moi Allah subhanahu wa ta'ala ma tentation quand je vais envoyer ma tentation, ça ne s'arrêtera pas seulement à ceux-là qui ont accouru à cette tentation-là, à ma colère. Les mauvais seront dedans, les bons seront dedans. Et c'est ce que nous voyons tous. C'est une seule personne qui tire l'éléphant et tout le village partage. C'est comme ça aussi, c'est une seule personne qui cherche la colère de Dieu. Et tout le monde est puni. Vous savez, je vais vous ouvrir une parenthèse pour que chacun de nous fasse des efforts pour corriger ce qui se trouve dans nos maisons respectives. Parce que, voilà, en toute sincérité, grâce à toi seul, ton erreur, ton, ton erreur ou bien tes erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala va saisir tout le pays, toute l'Afrique, tout le monde entier. Wallah, c'est rien pour Dieu. C'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez ce que les gens font Il est sorti faire la cour à une fille. Il a amené la fille rentrer dans la chambre. Sa femme, légitimement mariée, est dans la cour, en train de travailler. Il est allé s'échanger, rentrer dans serviette. Il est venu maintenant, il taquine la femme de dehors. Au moment où elle a eu l'intention que, oh, lui là, peut-être il a besoin de moi. Au moment où ses idées sont parties sur lui, il lui dit que tu as vu ça là, là. Je vais pour donner à la belle qui est dedans là. La femme croyait que c'était des blagues. La femme lui suivait. Il est arrivé maintenant, il a refermé le porte avec la clé. Elle a laissé la femme, il a laissé la femme là la nuit. Elle s'est lamentée J'étais calmement, je n'ai pas de problème. Tu es venu me chercher des querelles. Maintenant que j'ai besoin de toi, tu as fermé la porte. En train de coucher avec une autre fille. La femme en question était dans la chambre, elle souffrait. Elle se disait que, ou bien que je vais sortir, aller trouver un homme qui va me faire satisfaction. Et elle-même, elle revient en elle, elle dit que si je le fais, quel sera mon statut devant les gens, aux yeux des gens. Elle est restée comme ça, persévérée jusqu'au petit matin. voilà et celui qui me dit cette affaire-là me disait que la femme-là, elle est restée comme ça, souffrante la nuit. Le lendemain matin, elle est allait lui demander, mon mari, voilà il faut me satisfaire pour que je sois libre. Ce qu'il a fait là, à cause de lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous punir tous. C'est ce que les gens font dans leur foyer. Parmi les fautes, des erreurs que les gens font, il va marier une femme, amener poser à la maison. Il ne couche jamais avec elle. C'est la nourriture qu'il n'y a pas chez ses parents. Il n'y a pas la nourriture chez ses parents. Il n'y a pas la chambre chez ses parents. Peut-être même elle mange mieux chez ses parents. Elle dort mieux chez ses parents. Elle a tout chez ses parents. Mais comme le mariage, ce que chez ses parents ne trouve pas, c'est ça elle est venue chercher chez toi. Voilà dans quoi tu vas la remettre fitna c'est dans nos faïs. quand nous revenons euh, dans, du côté des shirk <laughs> les frères c'est pas facile hein. la femme est allée voir le marabout on a préparé des talismans médicaments qu'on sort qu'on sort l'a donné elle est venue enterrer dans, leur foyer. Là, on prépare de la nourriture. À chaque fois que c'est le tour de celle-ci, elle rentre chez son mari, elle se couche, elle ne fait pas cinq minutes, elle va uriner dans la chambre. Une grande femme. Toujours c'est comme ça. Et vous pensez que ça là, ça va rester à l'étranger si Allah subhanahu wa ta'ala envoie son châtiment, nous tous, les innocents, ça va les emporter. Ceux-là qui ont encouru la couleur de, Dieu, ça va les emporter. Ce que les femmes font entre elles. Wallah, Dieu sait ce qu'il a fait dans la nuit. À 55, ici, je ne sais pas loin, je vous parle. La femme est allée chercher les maraboutages qu'on sort, venir mettre au portail de chaque épouse. Quand elle faisait ces médicaments, le chauffeur de leur mari l'a vu. Il allait frapper la porte du mari. Tonton, viens voir ce que la deuxième femme a fait à l'autre ou bien une des femmes a fait à l'autre. Elle a enterré quelque chose sur le portail de celle-ci. Le maisonnier demande au chauffeur c'est où. Il fait descendre comme ça pour montrer l'endroit. La main a commencé par s'enfler comme ça. Des 5 ans, jusqu'à ils vont arriver à Dapon ici. Là, c'est ici on a coupé. calmement. Sans parler de cela qui ôtent la vie des gens. Lorsque Allah disait aux anges, « Wa izukola rabbuka inni ja'ilun fil de khalifa » lorsque Dieu disait que je vais mettre un calife sur la terre, les anges ont répondu à Allah subhanahu wa ta'ala. fiha man yufsiru fiha wa Dieu, tu vas amener un homme mettre sur la terre, il viendra sans rien faire que gaspiller la terre, venir verser le sang. Les anges étaient contre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est tout ça là qui a réuni. Vous remarquez, dans tout, il n'y a pas la bénédiction. Hier, quand quelqu'un a 50 000 dans la ville, c'est le plus riche. C'est le plus riche. Voilà, aujourd'hui, actuellement, où nous sommes, quand quelqu'un a 5 millions, c'est un pauvre. Quand on donne Zaka, lui aussi va prendre. et eh, je menti Les Aladji qui quittent ici pour aller pour Oumra à la Mecque, ils arrivent, ils voient ce qu'on donne comme Zaka là, lui-même voit que, oh, si je prends ça là, ça peut faire affaire. Hein. Quand lui revient ici, nous on appelle Aladji. <laughs> C'est du côté des gens. Pour la richesse, pour l'honneur, le nom, quelqu'un va aller dans la nuit creuser la tombe pour déterrer un cadavre. Il cherche quoi L'argent ou l'honneur Tout ça là, ça contribue pour la perversité sur la terre. Si nous tournons, retournons du côté du commerce, là on n'en parle pas. Là on n'en parle pas. Il faut voir l'intérêt usuré. Je te donne 1000 francs. Les jour tu vas me ramener les 1000 francs, tu amènes 1500 avec intérêt. Alors que Dieu dit que Ahal al-bay'a wa harrama riba. J'ai rendu licite le commerce et j'ai rendu illicite l'usure, intérêt usuraire. Maintenant, côté commerçant, quel commerçant vous pouvez lever le doigt montrer, il ne fait pas le prêt pour remonter son entreprise Prêt avec intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question. Tout ceci-là qui se passe sur la terre, si lui, Allah subhanahu wa ta'ala, envoie son châtiment, qui va sortir Qui va sortir Personne. Nous prions matin et soir la protection divine, que le Tout-Puissant nous garde. Qui seront détruit. Si Allah subhanahu wa ta'ala envoie son châtiment, sinon les gens injustes, seuls les gens injustes qui vont, qui seront détruits dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il envoie des messagers tout simplement pour Mubashirin, pour nous faire les bonnes annonces, wa pour nous avertir. C'est la raison pour laquelle il envoie des prophètes. Mubashirin, ay nursil rusul illa ma les rusul illa litubashir al-mu'minina bi-thawab les messagers viennent pour faire une bonne annonce aux croyants. Ce que vous êtes en train de faire, vous avez abandonné tout. Vous êtes assis. Écoutez la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce que vous êtes en train de faire, je vous fais bonne annonce du paradis. Après votre mort, Inch'Allah, il y a le paradis qui est garanti, qui vous attend. Ça, c'est pour لقرآن وإنذار الكافرين بالإقاب الله سبحانه وتعالى ما أنقرد أفرتي لبرفير لمكريان sur le châtiment douloureux au C'est pourquoi vous remarquez le Coran, si ce n'est pas pour vous annoncer une bonne nouvelle, c'est pour vous avertir contre le fait du châtiment au jour de la rétribution. Chaque fois quand vous commencez le Coran du début jusqu'à la fin, c'est comme ça. Si vous faites ceci, ceci, ceci, ceci, c'est bon, vous avez le paradis. Mais quand vous faites ceci, et ceci et cela, c'est mauvais, il y a le châtiment qui vous attend. C'est tout ce que les messagers sont venus pour faire. C'est pourquoi vous n'allez voir jamais un oustaz dans un quartier. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas fait, ce que les autres n'ont pas fait, les autres prophètes n'ont pas fait, ce n'est pas nous qui allons faire ça. Nulle part ailleurs, vous allez voir un oustaz qui tient un bâton suivant les gens de, prier, de suivre. Ou bien vous allez voir un oustaz qui tient des bâtons, tout, tout, tout ça là, que celui qui fait ceci là, il va lui taper. Non. Le oustazé dans le quartier, son, sa limite, c'est d'avertir, d'annoncer aux gens. C'est sa parole. Ça s'arrête là-bas. Maintenant, qui peut faire la loi C'est le chef, les rois, ceux-là qui détiennent le pouvoir. Par exemple, ce que les gens ont transformé nos mariages aujourd'hui, qui ne ressemble à rien de la religion islamique mariage. L'orchestre est là. Les hommes, femmes, tout le monde danse, nyama, nyama, tout cela. La femme mariée même, elle va sortir au milieu. Le voile déjà posé, la mèche jusqu'aux fesses. Elle va danser jusqu'à panne va couper. On dit que c'est mariage islamique ça. Qui peut arrêter ça l'imam central Mijiawa, les oustas, le comité musulman, tout le monde a commencé par dire ce n'est pas bon arrêter, ce n'est pas bon arrêter. C'est maintenant les gens ont commencé par faire ça en grande ampleur. On amène Amiria, on a fait mariage à côté ici. améria on va la ramener où En haut là-bas. Maintenant, on prend Amiria ici. On sort, on prend la route. On occupe toute la route avec la klaxon. Pi, pi, pi on va aller au carrefour, rond-point. Après le rond-point, carrefour, carnaval, carrefour, carnaval, carrefour, BTD. Carrefour, BTD, on contourne, on vient carrefour, euh, euh, comment l'appelle-t-on euh, Carnaval, hein Carrefour, carnaval, on monte Tingban Gabon. Tingban Gabon, on vient ici. Aller contourner comme ça, aller jusqu'à ramener Amérial ici. Alors que c'est quelque chose, on peut prendre, déposer comme ça. Malampe, peut arrêter ça en dehors de sa parole. Mais c'est l'autorité qui peut signer. Désormais, celui qui fait ça, on signe, on tape, on dépose. PPM, là, ça a commencé à 55. C'est les gens de 55 qui ont mené ça ici à Dapan. Mais à 55, quand ça veut exagérer, qu'est-ce qu'ils ont fait Le préfet, l'autorité, ils ont signé. Si le mariage de qui on amène à Meria, on, on klaxonne sur la route, on vient prendre le, marié, on, on enferme. Trois jours, il va revenir. <laughs> Qui va faire Comment C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que Fazakiri nama anta muzakir. Lasta alayhim musaytir. C'est notre limite de parler. Souvent les gens nous accusent même. Alphawa, hein, vous les malins, vous êtes là et puis ça se passe comme ça. Quand vous allez dire on a parlé fatigué, il dit non, vous ne faites pas votre, travail. Nous, notre limite, c'est de parler. C'est au chef de quartier, le chef canton, le préfet. Aïwa. Le préfet, les, les autorités, les, comment, corabiers, tout le monde met chose. Voilà. Ça finit mais ça ne veut pas. Tout à l'heure même, ils sont en train de faire pire. sur la route, les soldats sont arrivés. On arrache les permis des chauffeurs. Les motos, on arrache en garde. Amérien même est arrêté, amené en prison. Une semaine. On court derrière Ango. On l'amène. Il est dans la gendarmerie là-bas, Amérien, dans l'autre côté. L'heure de nuit de nos là. Nuit de nos c'est où En prison. Si on a fait une, deux, trois personnes, on va trouver quelqu'un encore. Hmm? C'est fini. C'est fini. Mais regardez tout ce que nous avons semé en ville. Hier, je vous ai parlé de ça. Aujourd'hui, quel enfant vous voyez On a mis un enfant qui fait des efforts dans la lecture du Coran. C'est vos enfants de musique seulement. L'élève va à l'école avec les écouteurs à l'oreille. Il va aller à l'école. on sort midi. Il sort en même temps, c'est les écouteurs dans les oreilles. Vous allez dire qu'il va retenir quoi dans la tête Alors qu'hier, quand vous allez à l'école, on, on va à l'école en apprenant. Quelqu'un marche, il a l'école, il va à l'école, les autres cahiers sont ici. Il tient un cahier, comme ça il, révise avant d'aller. Il quitte midi, c'est comme ça il révise pour arriver à la maison. Aujourd'hui, quel élève apprend Combien d'élèves C'est ce que nous voulons, non Allons-y. Non C'est le droit de mouton qui est en train de passer partout. C'est le droit de mouton. Cherchant en islam, nous devons faire attention. Les malhommes, leur limite, c'est d'avertir, d'annoncer. Avertir, annoncer. Maintenant, l'autorité met la main et puis ça marche. Évoluons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Faman asla et hein, amana. Quand les prophètes, les oustas vous avertissent, il vous annonce. Et quiconque parmi vous croit, il met en pratique ce que le Coran a dit. Ce que les hadiths a dit, ont dit, il a pris le droit chemin. C'est ça Allah subhanahu wa dit que Faman Amana, celui qui croit. Wa et corrige, arrange. Pourquoi ici il a dit Amana wa Parce que tout le monde était dans l'égarement. Peut-être nous sommes en train de faire quelque chose on ne savait pas. Ou bien on sait, on fait. Un jour, on a prêché, on nous a parlé. À partir de ce moment-là, l'on dit que, oh, temps-là, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus le faire. Il a cherché le pardon auprès de Dieu. Ce qui veut dire qu'il a cru à la parole de Dieu. Ah, maintenant Wa abandonné et abandonné. Abandonné tout ce qu'il faisait. Dans la religion islamique, voilà, c'est pourquoi le musulman est bien. Le prophète Mohammed nous dit que kama Celui qui a fait erreur, ou bien il a fait un péché hier, et sur ce péché, il était un jour ils prennent décision d'arrêter, de ne plus retourner dans les erreurs, dans ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il remplit les conditions de la tauba, de touba. Allah subhanahu wa ta'ala dit que chez lui, c'est comme il n'a jamais péché. malgré tout ce qu'il a fait là, c'est comme il n'a jamais péché. ibn Allah sur ce, les frères, je vous appelle. Je m'appelle aussi à chaque moment. La langue là, il ne faut pas que ça se repose de istikfa. là, astanfirla, là. Wallah, parmi ce, euh, les, les choses qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un va désespérer. Oh, comment moi j'ai péché là Est-ce que Dieu va me pardonner voilà, Dieu n'aime pas ça. Il dit, même comment tes péchés sont là. Il dit, si lui, son serviteur, a péché, ses péchés remplissent la terre et les cieux. Et il vient devant moi, Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon et arrêter. Lui, il efface tout, comme s'il n'a jamais péché. C'est pourquoi dans un verset, il nous a appelés inna allaha yaghfir jami'a vous qui avez dépassé les limites dans vos faits la taqnatu min rahmatillah ne désespérez pas sur la miséricorde de Dieu inna allaha tu certes Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir va jami'a il efface tous les péchés shurut tawbah comme shurut condition de Touba. Touba avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là ça. Trois, si tu veux que Dieu va te pardonner pour l'erreur que tu as commis, Tauba, pour faire Touba, ces trois conditions, il faut remplir. Première euh, condition, en adamant Allah ma fata, regretter sur ce que j'ai déjà fait. Le regret. Ce n'est pas quelque chose qui... <laughs> Allah Akbar, que Dieu nous <laughs> Hier, tu commences pas à citer ce que tu as fait. Entre toi et Dieu, tu as couvert. Et c'est ça, c'est tout voilà que tu fais comme ça, tu ris. Hein. Alors qu'il te dit que Adam, quand quelqu'un regrette, il rit. Quelqu'un qui regrette, il rit. Allah ألا يعود إلى zambi فيما بقي min من prendre l'intention que je ne vais plus retourner dedans à partir d'aujourd'hui. Ce que je faisais hier là, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus retourner jusqu'à la mort. Ça fait deuxième condition. Asalasa. En yatraka al fi sa'atiha. Aywa, in mutamasik bil amr. Allahu akbar. Alpha yamam <laughs> al l'Adérie, celui qui a déjà passé par le livre, on appelle l'Adérie. Aujourd'hui, Alhamdulillah, si tu n'as pas encore lu à là, il faut prendre ton appareil, il faut taper l'Adérie, version française. Ça va venir, tu vas lire l'Adérie. Wallah, c'est un livre Dans ça, il a dit quoi hein? Un أن يترك المعصية في un إن كان bil amr. Si tu es en train de faire, en même temps de dire que ce n'est pas bon, arrête. Sur, le, sur place, tu es en train de faire en même temps, tu as volé quelque chose de quelqu'un. On a dit que ce n'est pas bon, en même temps tu dis que, non, ton appareil là qu'on avait volé là, ne faut même pas chercher quelqu'un chez moi. Chez moi, prends, prends. Tu me pardonnes, hein, là. Si c'est quelque chose avec Dieu, qui arrête en même temps, en train d'amener la fille pour faire la fornication, coucher avec elle. Tout à l'heure, on te dit que ce n'est pas bon. En même temps, tu dis que, hé, demoiselle, allez, toi, faut partir. Dégage là-bas. Tu as laissé en même temps sur le C'est pourquoi vous remarquez chez certains fumeurs de cigarettes, ils ne peuvent pas arrêter. Il est en train de fumer, tu dis, oh mon ami, cigarette là, ça nuit à la santé, c'est pas bon. Il a faim voilà, j'ai compris. Inch'Allah, bientôt je vais laisser va laisser. Si vraiment il veut laisser en même temps, c'est devant toi, il enlève la cigarette en même temps, il casse. Et en même temps, il dit, voilà, ah, oh il faut beaucoup prier Dieu pour moi que j'arrête. Moi aussi, je vais prendre l'initiation de ne plus retourner dedans. Inch'Allah, il va laisser. Mais quelqu'un qui te dit que, mal, Inch'Allah, on va laisser bientôt. Et la vie continue. Allah, voilà faidike wala yakula an ata yahdiyanillah il ne faut pas qu'il va dire que non si Dieu me guide là Il veut laisser aso al nasri de yeli aywa haza min alamati shika ça fait partie c'est les signes de l'orgueil les signes de l'orgueil si tu dis que non, quand Dieu va nous guider, on va laisser. Si Dieu nous guide, on va laisser. C'est l'âme. Il dit que c'est des signes qui prouvent que tu es un têtu. Tu ne veux pas arrêter. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Faman amana, quiconque croit, wa aslaha, et corrige. Des gens comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Fala alayhim. Il ne faut pas qu'ils vont craindre. Quand je vais mourir, qu'est-ce qui m'attend là-bas C'est le pardon de Dieu qui t'attend là-bas. Voilà hum, Et qui ne s'inquiète pas. Après ma mort, ma femme et mes enfants, ma famille va devenir quoi Allah dit qu'il ne pas prêt. Tant que tu as cru et tu es bon, après ta mort, moi, Dieu, je vais corriger ce qui reste derrière toi. on 99 personnes. 99 personnes. Il est assis. Vous savez, si vous, même si vous êtes comme là, hein, si vous avez les moyens, vous avez échappé au jugement des humains. qui ne peut pas échapper au jugement de la conscience tu fais du mal, il y a l'argent, tu vas aller donner à la justice et qu'on sort, on ferme sur l'affaire. Ou bien c'est pas ça. Mais il y a le jugement qui t'attend. Quel jugement Le jugement de la conscience. Toi-même, quand tu es assis comme ça, tu es libre, tu es gêné. Non. J'arrive sur cette question. Il est là, il est gêné. Il n'est pas libre. Mais lui là, la conscience est déjà morte. Il a payé là-bas. Ça ne lui dit rien. Il dit quoi Il dit que si vous, vous, échappez au deuxième jugement, le jugement de la conscience, il y a le jugement dernier qui vous attend. Ça, quoi que vous en fassiez, vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous ne pouvez jamais échapper à ça. Sur Tauba, je n'ai pas encore terminé sur ça. Je reviens encore pour ne pas oublier. Si c'est entre toi et Dieu, c'est trois conditions qu'il faut remplir, les trois que nous avons citées. Mais si c'est entre toi et puis l'homme, il faut une quatrième condition. Après les trois là, il faut venir auprès de lui. Ce que les gens disent en ville là, sur toi mal là, c'est moi qui ai fait ça, pardonne-moi. Appareil là, on disait qu'on a volé là, c'était moi qui ai pris ça. Voilà. Pardonne-moi. Si toi-même tu vois que, ah, comment là, il est là là. Si j'arrive devant lui que c'est moi qui ai qui fait ça, oh, ce serait pire. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut contourner encore par autre chemin pour régler ça. C'est l'appareil qui a pris, non Tu fais un effort, tu sais là où il dépose sa moto. Tu fais un effort. là où, quand il a ouvert euh, chaise de moto là, Dubaï, il y a, là, tu viens, tu fais doucement, tu danses l'appareil dans la caisse là. Il va fermer. Un jour, il est là, il cherche quelque chose dans la caisse là, il dit Ah non, c'est ici, j'ai laissé mon appareil, puis j'ai dit que c'est quelqu'un qui a volé ça. Oh, Astanforla, là. Ou bien si ce n'est pas ça, tu fais un effort. Un matin, je viens chez Zoukenen pour lui saluer. Ah, <laughs> moi Zoukenen, je suis venu seulement pour te saluer. Tu es assis comme ça, tu fais l'effort. Tapis qui est ici là, tu soulèves tapis, tu mets appareil dedans. Tiens es assis. non je suis venu seulement te saluer. Bon, je vais partir ça. Tu pars, tu laisses l'appareil là-bas. Il est là, l'appareil sonne. Ah, il Donc c'est ici j'ai laissé l'appareil et puis j'ai dit que c'est les gens qui ont volé. Oh Dieu, pardonne-moi. L'affaire est réglée. Il a retrouvé ce qu'il a perdu, non C'est fini. c'est à moitié corrigé. Parce que quoi Ça ne peut pas, il ne peut pas aller directement. C'est chaud. Ce que vous va lui faire, c'est chaud. Mais une personne comme celui-ci, je vois que Maladomou, c'est quelqu'un qui est sérieux. J'arrive entre nous, Maladomou, Il est patient. Il est patient, Voilà, je vais te dire la vérité. Apparaît là. Voilà, c'est moi qui ai pris ça. Santé thématique. Voilà, j'avais voulu prendre ça. Mais je sais que tu es une bonne personne. Au nom de Dieu, je te remets la parole. Mais ça là, je t'ai dit ça là. Ça n'a pas rester entre nous. Si quelqu'un te demande, il faut savoir ce que tu vas lui dire. Il ne veut plus entendre mon nom. Salam alaikum. Si tu veux encore arranger l'affaire entre vous, tu dis que tu as vu, je suis que tu depuis chez moi, venu chez toi. Voilà, donc faut donner 200 francs de Z pour partir. <laughs> Lui va rire. Et puis la ferraille s'arrête ici. Toi aussi, on t'a dit, il faut me couvrir, il faut couvrir aussi. Le prophète Mohammed. Man satara akhihi. Man satara musulman, satara allahu yawm al Si tu le couvres ici, quiconque couvre son, son frère musulman, Dieu va le couvrir de delà Il t'a demandé que ça entre nous, il faut garder. C'est bon, Allah, Dieu va te récompenser pour ça. Allah subhanahu wa que pour ces gens-là, qu'ils ne craignent rien après notre mort, qu'est-ce qui nous attend auprès de Dieu C'est le paradis qui vous attend. Voilà hum qui n'ont pas, qui pas crainte. Après notre mort, qu'est-ce qui va nous attendre Frères musulmans en, Dieu, si vous êtes en nom c'est-à-dire si vous avez mis au monde des enfants, faites des efforts pour faire du bien. Wallah, si vous ne faites pas bien, ce n'est pas vos enfants directement. Les enfants, vos arrières, arrière-enfants vont récolter ce que vous avez laissé sur la terre. La dernière fois, je vous ai dit ça. J'ai dit, vos arrières, arrière-enfants vont récolter ça. Ce que vous, vous avez fait aujourd'hui. Il n'y a pas de doute sur ça. Dans la sorte CAF, fois je vous ai amené l'exemple dedans, dans Surat Kaf. Wa'amal jidar fakana lugal Meni yatimeni fil madina fakana abuhuma soliha. C'est ça ici, on a mis. Fakana abuhuma soliha. Quand on a dit abuhuma ici, le mot, le terme abuhuma utilisé ici ne fait pas allusion que c'est leur père biologique direct. Les savants sont unanimes que c'est leur arrière-arrière-grand-père. C'est leur arrière. C'est quelqu'un avant, avant qui a été bon. Et aujourd'hui, les enfants des enfants des enfants là sont en train de profiter des fruits là. Donc c'est pour cette raison que nous tous ici, nous devons exhorter les uns les autres de faire du bien pour demain. Allah subhanahu wa ta'ala vous le dit dans le Saint-Coran. Inna qalu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Tous ceux-là qui ont été droits, quand on dit droit, droit, ça, ça se comprend tout. Un homme est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Donne-moi des conseils. Kul amantu billah summa istaqim. Dis, tu crois à Dieu. C'est ça ici, il dit que faman amana. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi Kul amantu billah, crois en Dieu. N'est-ce pas Summa istaqim. Il faut, il faut être droit. Droit dans quoi Droit dans tout. Tu as deux femmes à la maison. Il te conseille d'être droit des enfants, il le conseille d'être droit. Un parent, oh, voilà. les gens sont passés. Des bonnes personnes sont parties. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un, il y a. Jusqu'à présent, il y a des bonnes personnes. Regarde, le vieux a pris quelque chose parmi ses biens pour donner à un enfant, parmi ses enfants. La femme là, son enfant mais mené, voilà ce que papa m'a donné. C'est ce que papa m'a donné. La femme là, elle a des épouses, elle a les enfants, des... elle, la épouse aussi a des enfants. La femme là dit que mon enfant ne prend pas ce cadeau là. Jusqu'à ce que nous allons demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est logique qu'un papa va prier quelque chose donné à un enfant et laisser les autres la femme a pris ça, a mené et montré au prophète sallallahu alayhi wa Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, le papa là, il est venu. Il dit, le cadeau que tu as donné à cet enfant là, tu as donné la même chose aux autres enfants Il dit non. Il dit que, hey, itakillah, wastaki, adil bena auladik. Le prophète sallallahu alayhi wa dit que, crains Dieu et sois juste, droit avec les enfants. Regarde la femme. Ce n'est pas une bonne femme, une femme juste. Est-ce que nos femmes aujourd'hui font ça Les femmes sont méchantes, méchantes, hein? jusqu'au point où elle est dans la chambre. Son mari dort. Elle commence par faire des gémissements dans la chambre. Oui, tonton, ce que tu me fais là, est-ce que tu fais à l'autre femme comme ça alors qu'on ne lui fait rien L'autre est à côté, comme la, de l'autre côté, elle, elle entend pour la faire mal. Vous voyez comment les femmes d'aujourd'hui sont cette femme-là qui fait ça, là, est-ce que vous êtes sûr que si vous donnez quelque chose, elle, peut vous amener à la raison Mais la femme, elle, au foyer avec chaque épouse, elle veut du mal de chaque épouse. Tu sais ce qu'elle fait Quand c'est son tour, le jour où elle prépare, elle envoie les enfants d'aller au marché, là où on vend les viandes emballées là. On fait viande emballage euh, qu'on fait, sur le feu là. Elle demande les enfants de, ramasser les papiers, des ciments emballés, emballés. On ramasse vite, vite là, on ramasse à mener. Maintenant, le matin, le mari va au service. Maintenant, elle prend emballer là, le papier là. Elle jette, elle met balai. Elle balai pour sortir dans la cour. L'autre femme est assise, elle voit. Elle regarde. Non, Pangbara. <laughs> Non, c'est ce que, si c'est ton tour, chaque, fois, si c'est son tour, c'est ce qu'elle fait. Et l'autre est dans son coin, ça la gêne. On appelle ça la jalousie. C'est pas sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la femme. Hein? C'est ça la femme. Mais ben, la femme a laissé le mari a frappé chaque épouse. Les, les joues comme ça, tout ici, là, c'est Elle a fait quoi Si c'est son tour, le matin, elle sort comme ça. Ce qu'on l'a tressé là, elle détache elle prend le peigne, elle se peigne correctement. On voit que tout est détaché. Vers 17h comme ça, elle a une coiffeuse. Elle fait rentrer la coiffeuse en cachette. La coiffeuse vient la tresser correctement. Maintenant, la nuit, elle est là avec le mari, elle cheveux son tressé. Le lendemain matin, quand le mari va au travail, elle sort, la tête, elle laisse la tête vide comme ça. C'est bien tressé. La femme la demande à chaque épouse Hier, c'est pas hier que tu t'es détaché les cheveux. Il dit que, oh, tu crois que mon mari là, moi je lui moyen. Hein. La nuit, quand il vient, avant que je vais lui donner, il faut qu'il va me tracer. Il a obligé de me tracer avant que. Oh, femme aussi. Hein, femme. Oh, femme. Elle aussi, elle a noté, elle dit, tombe, le soir, c'est son tour. Le mari est rentré, elle s'est détachée les cheveux. Le mari est venu, il veut toucher, il dit que ne touche pas. Tu dois me tresser d'abord. Ah, En comment Il dit que tresse-moi d'abord. Sinon, le mari dit je ne sais pas tresser. Vous connaissez la femme, non Mounafriki. Ah, quel homme va Cet homme va l'appeler Mounafriki. Elle a commencé par mettre l'homme à sa place. Elle insultait l'homme mal, mal, mal. Lui s'est levé, il a tapé. Le lendemain, elle est sortie avec la bouche. Euh, vous voyez C'est nos femmes aujourd'hui que ce qu'elles font. Non <laughs> Ça, leur jalousie c'est pas exagéré comme nous sommes, nos femmes d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est trop. Ouais. Nos femmes d'aujourd'hui, c'est je vous jure au nom de Dieu, ça rentre même dans sorcellerie. Où mes en ça, ça, la sorcellerie. Ça grandit. On met ça même dans la sorcellerie. C'est ce que les femmes font aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui a été droit, droit, ثم si vous êtes droit il dit que tatanazzalu alayhim malaika le jour où tu vas mourir Allah subhanahu wa ta'ala va venir, faire venir les anges les anges vont venir te dire que Allah khafun alayhim Allah takhafu wa la tazanu n'aie pas peur et ne crains rien nahnu awliyaukum fil hayati dunya dans le banc, vous étiez bon, non Vous étiez droit, non Nous, nous étions avec vous. C'est comme ça aussi nous sommes avec toi quand tu veux mourir là. Après ta mort, n'aie pas peur, dans la tombe, nous serons avec toi. Après ta mort, nous serons avec ta famille. Dans l'au-delà, nous serons avec vous. C'est pourquoi à chaque fois le Coran, l'islam te dit d'être bon pour avoir ceci-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que fala khawfun alayhim hum Pour ceux-là qui ont été droits, ils ont cru et ont fait bonne œuvre. Fala khawfun alayhim hum Ils n'ont pas qu'ils ne craignent rien. Qu'ils ne craignent rien. Faman amana bihim ceux-là qui ont cru en Dieu, et ils ont corrigé leur œuvre qui ne craignent pas que dans l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer Non, non, non. Qui n'a pas peur que dans, quand nous allons mourir qu'est-ce qui va se passer là-bas Et il dit que l'au-delà c'est la maison où Allah subhanahu wa ta'ala va payer ce qui est bon pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Tout-Puissant nous classe parmi ceux-là qui craignent Allah. Et vous savez que Allah, il a fait toutes choses, choses à deux. Si tu n'es pas croyant, tu es mécréant, c'est deux. vous pouvez me montrer quelque chose qui est un sur la terre. Si vous voulez dire que vous avez quelque chose qui est un sur la terre, vous avez menti. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les coran il dit que ولقد خلقنا وخلقنا كل شيء وخلقنا كل شيء زوجين لعلكم تتذكرون J'ai créé toutes choses de, de, de, de, de, de, de. La main droite ou la main gauche. Supérieur ou inférieur. la mâchoire du haut ou la mâchoire du bas. Le pied droit, le pied gauche. Si ce n'est pas masculin, c'est féminin. Si ce n'est pas le ciel, c'est la terre. C'est pourquoi même quand vous regardez les espèces d'animaux, la chèvre que vous voyez à la maison, quand vous allez en brousse, vous allez voir une autre qui est là-bas, mais qui est de la brousse. J'ai dit que j'ai fait tout ça là. De, Tout. Donc Allah subhanahu wa a parlé des bons. Il revient maintenant, il dit que kazabu bi ayatillah. kazabu bi ayatillah. Tous ceux-là qui ont créé au mensonge à nos ils ont nié. Aïe wa ammal mukazibuna. Quant à ceux-là qui ont mécru, bi ayatillahi, des signes de Dieu, فيمسهم عذاب أليم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله الله سبحانه وتعالى ta'ala ceux-là qui ont mécrit à nos signes, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons préparé un douloureux châtiment, un châtiment qui fait mal pour les garder. Quelqu'un va dire que en c'est dans Kiyama ça. Non, avant Kiyama même, vous voyez ça, non Hein que vous ne voyez pas ça Kay. Regarde, un cafri. Il dit un cafri. Ce que tout le monde a porté ici, c'est bon avec lui là. Quand un cafri va prendre portée là, c'est comme on a pris pour mettre sur un arbre. que vous ne remarquez pas ça qui le voit, il porte ce qui est cher. Mais il ne ressemble à rien. Maintenant, tu peux voir croiser un café, tu vas lui faire salam alaikum. Tu crois que c'est un musulman. Parce que quoi Il voit que ce que vous vous portez là, c'est joli avec vous. Mais quand lui va prendre vos portées, ça c'est le début. voulez dire que Kafri est mieux que musulman sur la terre Ici, Voilà, le prophète Mohammed, il nous dit que le musulman qui voit que Kafri, est mieux que lui là, il va aller dans l'enfer à cause de ça. Voilà, Kafri et tout ce qu'il a. Il n'atteint pas le petit musulman, celui qui fait la prière vendredi, vendredi. Chez nous, on, ne croit pas à lui là. Voilà, Kafri n'atteint pas lui. Celui qui vendredi, c'est parti pour vendredi prochain là. Hein? Cafri, le premier Cafri, il n'atteint pas celui-ci. C'est ça, nous on voit à cause de voitures, à cause de villas, à cause de quoi là, tu crois que Cafri Kafri là, il me dépasse, hein? il te dépasse en quoi En quoi Bon, question, question, question. Pour comprendre qu'un, voilà, il a rien devant toi là. Hein? Ben, côté propriété il va coucher avec la famille il va se purifier. Hein Toi, laisse là-bas. Quand tu viens à la mosquée, tu vas rentrer à la, mosquée sans purification. Il faut faire d'abord quoi Abolition. Oui, c'est pas ça. Quand tu pries, tu veux chier, bien tu veux uriner. Tu fais quoi Tu arrêtes. Allez uriner. Tu peux aller uriner, mais vite avec bouillard. Tu peux aller chier sans main vide avec bouillard. Quand tu finis de chier, tu as le droit de venir prier. Comme ça, il faut faire quoi mais c'est là-bas, quelqu'un est en train de prier. Il veut iriner, il sort en même temps à côté. Il irine. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il fait comme ça. Il remet, il revient continuer la prière. Non, il te dépasse. C'est pourquoi je vous pose la question. En quoi en quoi, frère Ça seulement, ça te suffit que tu saches que, ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bientôt la fête. D'abord, laisse la fête. On voit le mois béni de Ramadan qui est arrivé. Vous voyez comment les cadeaux viennent de partout. Non Même celui qui n'a rien, il sait que moi, je n'ai rien là mois de Ramadan, ils disent Alhamdulillah. Même eux, même les kafirs disent Alhamdulillah pour le mois béni de Ramadan. Voilà, j'ai suivi euh, une vidéo là en Côte d'Ivoire une femme qui était en train de témoigner. Oh, musulman, vous êtes bon. Musulman, votre religion là, elle est meilleure. Surtout dans le mois de carême. Mois de carême là, les autres qui n'ont pas fait carême, qui marchent à côté de la route, et il y a nourriture qui est là, on va te donner. Tu dis, je n'ai pas fait carême, on te dit, oui, il faut prendre pour manger. Ils disent qu'ils sont en carême. Hein. Et aussi, ils disent qu'ils sont en carême. Hein? ta religion. Aïwa, nous allons arriver. Alpha m'appelle, la rappelle. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent être les mêmes. Ils peuvent se comparer. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ils ont un douloureux châtiment qui les attend. Tabaski arrive, vous voyez ce qui vous est passé, non Hein? Le musulman, comme on dit, comptez les musulmans qui sont riches, ils sont combien À d'abord autour ils sont combien Un peu partout, ils sont combien On les compte au bout des doigts. Pourquoi c'est pas ça Mais quand Tabaski arrive, tu vas voir dans une même famille, dans la même maison, trois bœufs qui sont attachés. Quand ici ça fait mou, ici ça fait mou, ici ça fait mou. Et même ils sont dépassés, ils disent que hein, heta ni wasira alhamdulillah alhamdulillah aïwa chacun va faire un effort même si tu n'as pas l'argent comment comment comment jusqu'à l'approche de Tabaski quelqu'un va mener un billet te donner wa va madame ça là c'est pour toi pour Tabaski alhamdulillah bima kanu yafsukun hein ce verset-là, puis on va s'arrêter. Il dit que, prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La wa Je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu. Mon prophète sallallahu alayhi wa je n'ai pas les trésors de Dieu avec moi. Parce que dans les autres versets, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, amène-nous ceci là, fais-nous ceci là, montre-nous ceci là. Tout ce qu'ils sont en train de demander, Dieu leur dit, cool, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut leur dire que moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne détiens pas les trésors de Dieu. Dieu seul tient ce qu'il a auprès de lui. Voilà, et je ne connais pas l'occulte. L'occulte, c'est-à-dire ce qui est caché. Je ne connais pas ce qui est caché. لو la أعلم أعلم الغيب le من الخير وما مسني سوء. Parfois, sallallahu alayhi wa sallam disait que si moi je connaissais ce qui est caché là, j'allais appeler tous les biens, ça va venir sur moi. aucun mal va m'arriver. Nous avons appris que le prophète Mohammed, dans sa maison, Aïcha nous dit qu'ils ont fait trois mois. Un mois, deux mois, trois mois successifs. On n'a pas mis le feu à la maison. C'est pas quoi quelqu'un est mort. Il n'y a pas. Ce qu'on va préparer pour manger. Awakar radiallahu anhu, il demandait à Aïcha, si on n'a pas mis le feu à la maison là, rentre en main, vous mangez quoi Il dit que voilà, c'est des on mange de la date, on boit l'eau, on dort. Dans, trois mois. Un jour, Aïcha nous raconte, radiallahu anha, une femme est venue, elle tenait des enfants. Elle avait faim. Elle est venue, dit que les enfants ont faim. Il n'y a rien à manger. Dans la chambre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez Aïcha, elle a accueille seulement trois dates, trois devinons seulement, les grains là, trois seulement, trois fruits seulement elle avait. Elle a pris les trois fruits pour venir, elle a pris un pour donner à un enfant, l'autre à l'autre enfant. Il restait un. Euh, Aïcha attendait de manger ça. Elle a divisé ça en deux, elle a pris une partie pour donner à la maman. Elle aussi, elle veut manger le demi là pour la journée. Les enfants ont déjà mangé leur devine là, ils tendent encore la main. elle donne-nous. Ce qu'elle voulait manger, elle a divisé encore donné aux enfants. Chez nous ici, même si c'est dur comment, même si c'est dur comment, on peut trouver un peu de gari, un peu de sel, un peu de piment pour mélanger et taper boire de l'eau. lui-même. Alors qu'il pouvait lever les mains comme ça. Voilà, Dieu l'a demandé. Prophète, dis-moi. Dis-moi ce que tu veux sur la terre. Si tu veux que je vais réunir tous les trésors du bon monde te donner, je vais, te, les faire. Il dit faire quoi avec alors que le delà est meilleur Dieu faut me garantir ça de là-bas. Si c'est moi et toi, on, toi et moi, on demande ça là. Beaucoup qu'on a. L'angar. Ce n'est qu'à venir seulement. Si ce n'est pas ça, hein, si ce n'est pas ça, tu as fait affaire, où nous a pris travail. Tu es à 150 000 francs le mois. Nous, nous prenons 50 000 le mois. À la fin du mois, on prend notre salaire, tu dis qu'on a qu'à mener commission. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Oui, parce que c'est toi qui es Nous sommes 10 personnes. 5 000, 5 000, il 50 000. Toi, tu es à 150 000 francs le mois. Tu prends encore commission chez celui qui prend 50 000. C'est la raison pour laquelle ça ne va pas. Qui va aller voir dans, une voiture, dans une maison, en, villa et comme ça, mais il n'y a pas la barca dedans. Tu le vois, il ne ressemble à rien. Parce qu'Allah subhanahu wa a déjà levé la barca dedans. donc toi tu ne peux pas faire à cause de Dieu. Tu ne peux pas faire à cause de Dieu. Même si c'est grâce à toi. N'attends pas ça euh, auprès d'eux. Si eux-mêmes, ils s'attendent, ils disent que bon, vous voyez, comme le chef nous a aidés aussi, toi il faut amener 5 000. Toi, il faut amener. Peut-être même ils ne vont pas faire 5 000, 5 000. Ils vont dire, ben, il nous a gagné le travail. C'est pour travailler pour toujours. Donc toi, il faut amener 10 000. L'autre, l'autre va dire, oh, 10 000, c'est plus. Il faut qu'on va faire 20 000, 20 000. On va faire une bonne enveloppe pour aller dire merci au patron. Les gens vont mettre 20 000, 20 000 pour aller te dire merci. Mais lui, il veut chaque fin du mois là. Chacun a qu'à amener 5 000. C'est contrat signé. Lui là, si on lui propose les pas monnaie dans l'au-delà, il va choisir quoi Il va choisir ici. Il a déjà choisi. Sinon, là, il va dire quoi non, oh, les petits, tenez comme ça. Aujourd'hui, nous avons fait pour vous. Peut-être demain, c'est vous qui allez faire pour nos enfants aussi. Vous ne pas ça Tout le monde va mettre ça en tête. Hein je ne connais pas l'occulte ce qui est caché l'a, malak. Eh, non plus, je vous ai dit que je suis un ange. Je suis un homme comme vous. Est-ce que je vous ai dit que je suis un ange Pourquoi le prophète Allah a mené ce message ils ont dit, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans surat Furqan, euh, Jésus j'espère, il dit que Mali Hazar Rasoul, yamchi, Wayakulu, Yamshi Fil Aswat. Mali Hazar Rasoul, ça c'est quel prophète ça Un prophète, il, va dans le euh, marché pour faire le commerce et il mange aussi. Quand ils ont dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a dit, cool, il faut leur répondre. Voilà, cool, là, je ne suis pas un ange. Je suis un être humain comme vous. C'est votre enfant, je suis votre enfant, c'est vous qui m'avez mis au monde. C'est vous qui m'avez élevé. C'est vous-même qui m'avez nommé Al-Amin. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la prophétie. Vous voulez que je ne vienne plus au marché Vous voulez plus que je ne mange plus C'est les anges qui ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Ils ne lignent pas. Ils ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Mais mourir. Enfin, attends, il arrive là-bas. <laughs> Et eh, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges. Dieu les a donné l'esprit de discernement. Mais les anges n'ont pas l'envie c'est-à-dire comment vous appelez Kodei en français Besoin. Les ils n'ont pas besoin de quelque chose. Si ce n'est pas le service de Dieu. Le désir, ils n'ont pas. Le plaisir, ils n'ont pas. Dieu a créé les animaux. Il les, a donné le désir, l'envie de faire quelque chose, le goût, le besoin, mais ils n'ont pas l'esprit de discernement. Les anges, c'est le contraire. Les animaux ont besoin de ça. C'est pourquoi l'animal, quand il gagne quelque chose pour manger, il mange même pour mourir. Il ne pense pas que demain, il veut manger quoi Lui, veut manger tout. Quand il veut, il a besoin d'une femme là, il poursuit en public, eh, eh, eh, il va prendre. Il veut ce qu'il veut. Il n'a pas, il s'en fout. Quand il veut uriner, il n'y a pas que je vais aller cacher quelque part. Allez, il urine. Là où il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi vous-même vous remarquez, quand nous, parmi les êtres humains, quelqu'un fait ça, il dit que lui là, c'est un animal. Pourquoi vous dire qu'il fait comme un animal Pourquoi Parce que ce que, l'animal doit faire, il fait. Quant à l'homme, Dieu l'a donné les deux. Il a les besoins, il a l'esprit de discernement. Donc celui qui a bien guidé son besoin, hein, celui qui a bien guidé son besoin, il n'a pas dépassé les limites. Il a marché dans les normes. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'après sa mort, il va l'élever au rang des anges. Il serait élevé au rang des anges. Celui qui n'a pas contrôlé son besoin, son désir, son plaisir, quand il meurt dans ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire descendre du rang des animaux. Et dans, une un autre verset, il dit que que les animaux même valent mieux que ces gens-là. Moi, prophète Mohammed, alayhi wa sallam, je ne fais que suivre ce, qui m'a été révélé. C'est ce que je, je peux faire. Quand Dieu me dit dis, je dis. C'est pourquoi dans le Coran, on dit Kul ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kul Allah ahad. Il devrait dire quoi Allah ahad, n'est-ce pas Mais il n'a pas dit ça. Il dit que Kul, il répète ce que Dieu le dit de faire. Kul Allah ahad. Dis, Dieu est un. Si tout à l'heure je vais dire connais. « dis bonjour aux gens. Dis bonjour qu'on va dire encore dit bonjour. Il va dire quoi Bonjour, n'est-ce pas Mais le professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça. Si je lui dis dis bonjour, il dit dis bonjour. C'est comme ça le professeur sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi dans le Coran, vous allez remarquer Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Kul a'uzu bi rabbil falaq. Kul a'uzu bi rabbil nas. قل ya ayyuhal kafirun أوحي إلي Nulle part ailleurs, le professeur a dit que j'ai dit dans le Coran. Dieu lui dit de dire, Dieu dit bonjour, c'est fini. Dieu dit, ou Allah a dit, il est un. Il est unique. Qu'on dit, je cherche la protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Koul aouzu nas. Koul dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Koul ya ayyuhal kafirun. Dit, oh, vous les infidèles. C'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours répété. Non, Dieu pose la question de savoir. Celui qui est aveugle. On peut le comparer à celui qui voit, qui voit. Hmm? Aveugle qui ne voit pas. On, on peut le comparer à celui qui voit. En quoi Ta course, courez. Courez courir mieux. Même si l'aveugle sait courir comment, même s'il sait courir comment, il va dépasser celui qui voit. Comment Lui, il a besoin de quelqu'un qui va lui tirer pour lui montrer le chemin. C'est pourquoi, musulmans, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala a posé cette question. Hal yastawi al-a'ma wal-Basir, celui qui est aveugle et celui qui voit sont les mêmes, on dit non. Bon, pourquoi ceux qui sont aveugles viennent nous tirer Nous, on accepte que quelqu'un qui est aveugle là, il n'a qu'à être devant pour nous tirer, nous qui voyons. Quelqu'un va me demander comment ça Vous c'est pas ça. Il faut voir des lois qu'on nous amène, des règles qu'on nous amène. Les gens laissent ce que le Coran a dit, maintenant ils suivent ce que les gens ont dit. Donc, ce qui veut dire que nous avons accepté que l'aveugle nous tire. Celui qui ne voit pas pour marcher, tu lui dis il n'a qu'à être devant. Lui, va te tirer, toi qui vois. Vous croyez qu'il va vous amener où il va vous amener où, fils Abilillah C'est dans le trou. L'aveugle ne voit pas, il va te tirer pour amener dans le trou. Et c'est ce qui, ce qui suit maintenant. Dans le monde entier, sur tous les plans. Celui qui ne connaît rien, celui qui se met à la tête, bah Et il impose. C'est ce que j'ai dit. Je parle tout ça là partout, même dans nos mosquées qu'on sort. Celui qui lit et voit, il lui n'a qu'à se taire. Mais celui qui ne lit pas, celui qui ne voit rien là, celui qui doit parler n'est pas la signe de la fin du monde hmm? Jamais, je dis jamais, jamais de la vie, vous avez vu un oustaz un jour qui a pris les dossiers ou les, les, les, les cours pour aller au lycée, au collège, ou même cours primaire, pour dire qu'il veut aller dispenser les cours. Vous avez une fois vu ça l'église, la Bible est écrite en français. Vous bien c'est pas ça. C'est tout le monde qui est pasteur devant les, autres, ses fidèles. C'est tout le monde qui est pasteur là-bas. À l'église. Le pasteur même français qui parle là, ça ne pas ceux qui sont en train de l'écouter. Il y a des gens qui parlent mieux français que lui, qui lisent la Bible plus que lui. Mais jamais tu vas voir quelqu'un qui prend la Bible pour aller se mettre à la place du pasteur. Mais regarde en islam à la mosquée. Un bon matin, un professeur vient, allez, bah, c'est moi l'imam de la mosquée, foy Et la vie continue. Et nous acceptons. Là, il est là, il est là. À ses frères qui ont cette idée-là, à lever cette idée-là dans la bouche. Enlevez ça dans la tête. Parce que, voilà tu t'es appelé alpha, au jour de la rétribution, quand on veut te faire jugement, on te fait jugement de alpha. Et si on te fait jugement de alpha, tu ne peux pas sortir. Allah, tu ne peux pas sortir. Je vous jure au nom de Dieu. Tafsir que nous sommes en train de parler, on dirait si c'est quelque chose que est imaginaire là. La nuit, quand vous êtes en train de dormir, il faut regarder dans ce livre-là il y a un autre qui arrive de poser Actuellement, mes femmes sont, déjà dégoûtées de moi. Elles prennent les livres, elles classent. La nuit jusqu'à petit matin, là, ils voient que tout est déjà déclassé. Elles traînent savent pas que moi, ce que je pose là, ça m'arrange comme ça. Il faut regarder dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a dit là-bas Au finish, quand j'ai lu dans tous ce livre-là, la conclusion, qu'est-ce que je vais retenir Non, ici là, ça me dépasse. Tu prends le téléphone Alors, assalamu alaikum, sage. Sur la 10, là, qu'est-ce que Dieu a dit Sur le verset là, j'ai lu, voilà ce que j'ai compris. Comment toi tu as compris oh, tu es hors de ce que le dit ça là se réunit. Quelqu'un va lire euh, Riyad solim le jardin de Trois jours, quatre jours, il est devant, il dit qu'il est, il est en train de prêcher. Eh, ben, voilà, faisons beaucoup attention. Hein. C'est la religion, on s'amuse avec. C'est les parents qui sont assis comme ça. Dans tout, les enfants peuvent les dépasser, mais pas dans la religion. Pourquoi ça Quand tu amènes un appareil, tu donnes à un vieil, il dit que oh, nous on ne sait pas manipuler ça là. Ça c'est vous, votre mouvement. N'est-ce pas Quand on amène l'ordinateur, on pose devant lui, il dit que oh, ça là autre. Tu l'amènes caméra là, tu lui donnes, bon, prends pour me filmer, dit que oh wallah, c'est le travail que je ne sais pas. Mais dans la religion, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que ça là, je ne sais pas devant. Même s'il ne, ne sait pas, même s'il ne peut pas. Allez, la vie continue. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon papa. Voilà, la voiture Opel. On voulait, on est, parti à quelque part. Donc on doit ramener la voiture là. Lui et moi. Et il dit, papa, maintenant, Bismillah, il n'a qu'à prendre le volant. Il m'a regardé comme ça, il dit que, oh, ce que nous on conduit là, hein. ça là, là c'est la nouveauté. Hein. Comment les choses se passent là, c'est autre chose. Toi, il faut continuer, avec ça. Uh-huh. Toi, il faut continuer avec ça. Si c'est que ce qui est sur la terre, on connaît la place de chacun. Mais ce qui est pour la religion, tout le monde met sa bouche dedans arriver dans certaines mosquées même, c'est ceux-là qui n'ont rien ces qui font la décision à la mosquée. Point très, Et la vie continue. C'est pas ça. La religion, c'est pas ça. Non. La religion, c'est pas ça. Nous allons nous arrêter ici. Nous sommes au talon pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous pardonne nos péchés, grands comme petits. Mohamed. Non. Hein? Qui Dans cette période, oui. Hier, avant-hier, j'écoutais Oustaz euh, euh, Jaffa. Quelqu'un avait posé cette question-là. La femme, en sa période de, menstruation, peut tenir le courant pour réciter, par exemple, les Moalima qui enseignent qu'on sort. Il avait prouvé que si elle porte, elle trouve des gants pour porter, Inch'Allah, Jaïs. Elle peut réciter le Coran. Mais si ce n'est pas pour cas d'urgence, il vaut mieux qu'elle laisse après la menstruation, elles vont tenir. Par exemple, la fille qui veut passer un concours de récitation du Coran, il faut qu'elle va faire Mouraja pour passer le concours là. Elle est dans cette période. Et Alhamdulillah, maintenant avec les portables qu'on sort, on n'a plus besoin de toucher ceci-là avec le portable, Inch'Allah. Parce qu'en période de euh, menstruation, on n'a pas interdit la récitation. Parce qu'elle fait les askars. Ayat kursi, ce n'est pas Coran. Quand elle veut se coucher, elle veut lire Ayat ou bien il ne lit pas. On dit que celui qui veut se coucher, elle lit ah, ah, Aman Rasoul jusqu'à la fin du verset. Il est protégé. Elle ne lit pas ça, ce n'est pas Coran. Voilà. Allah nous assiste. Non. non. la garde. Et en toute sincérité, on ne souhaite pas le divorce. L'homme peut garder, après le divorce, l'homme peut garder la fin, l'enfant. Hmm? Si l'enfant a on l'a déjà sévré. Ça c'est un. De deux, s'il a les moyens réunis pour bien garder l'enfant là, l'islam l'autorise de garder l'enfant on n'a pas dit telle période ou bien telle période. Mais la loi nous dit quoi Il faut que l'enfant ait 7 ans. Et quand tu es dans un pays, tu marches avec euh, la loi du pays. Parce qu'elle peut t'amener n'importe où, on va te poser tous les problèmes du monde. la femme a les possibilités de son Donc, euh, j'arrive, j'arrive. Sur le plan islamique, c'est comme ça. Si vous pouvez garder l'enfant dans les bons uniformes, l'islam vous autorise. Est-ce que vous comprenez Mais dans le cas où vous ne pouvez pas, c'est pourquoi madame a accouché, euh, la, femme était enceinte, qui a déclenché le divorce. Tu as divorcé la femme. Donc euh, sa période de divorce se limite à son accouchement. Le jour où elle accouche, divorce euh, c'est fini. Elle est divorcée. Donc si elle accouche, elle a droit. En même temps, elle a fini en même temps d'accoucher, en même temps, elle prend ton enfant comme ça. Avec le sang et tout, comme ça, la te remettre. Prends. Prends. Maintenant, toi, tu sais que, ah, ça là, je ne peux pas. Allah subhanahu wa ta'ala te ramène encore dans surat Talak, surat appelée le, le, le, divorce, dans cette surat. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن ولا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ولا تحمل فأنفقوا هل حتى فإن أردان لكم فأعطوهن بمعروف وإن تآثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا Il dit à la femme qui a déclenché le divorce, la femme est enceinte. Le jour où elle accouche, elle a droit en même temps de ramasser tout. En même temps, es donné. Le, bébé là, tu es donné. On te donne, tu dis, ah bébé là, je vais faire comment L'Islam te ramène, tu ah, d'accord. Tu ne veux pas garder, oui. Il n'y a pas le lait, il n'y a pas que la nourrisse. il n'y a personne. C'est toi qui vas nourrir l'enfant, il dit, ah, d'accord. Si c'est ça, d'accord, on va faire un contrat. Donc je vais allaiter ton enfant. Chaque mois, tu vas me payer 60 000. Chaque mois, je prends 60 000. oh, Albaraka je vais payer 30 000. non, non, non. dernier prix, c'est 50 000. Eh, pardon, je dis que non, j'ai dit le dernier prix c'est 50 000. Tu es d'accord, je vais allaiter l'enfant. Tu n'es pas d'accord, allez, prends ton, ton enfant. Tu es d'accord, oui, allez, on signe. Chaque mois, tu viens là verser 50 000. Elle allait ton enfant et son enfant. Jusqu'à l'enfant va grandir. Deux ans, tu vas payer 60 000. Félicitations, station d'accord, station d'immobilier. J'arrive. Est-ce que vous comprenez Tu vas payer 60 000 durant les, Mais si le cas où 50 000, elle s'est arrêtée seulement 50 000, elle ne bouge pas, et toi tu n'as pas les moyens de payer 50 000, le au il dit que donc, il faut la laisser, tu vas prendre une autre femme qui va l'allaiter. C'est un passé, nous ici. Ailleurs, par exemple, chez les Arabes, ont fait ça. Il y a des femmes qui sont là pour ça. Elle allaite l'enfant, tu payes. Durant. jusqu'au jusqu Donc c'est comme ça que l'islam nous a décrété. Quelqu'un, un jour nous avons parlé de ça, a posé la question. Et l'enfant là, quand il va grandir, s'il gagne l'argent, il gagne les moyens, la femme là, sa maman, l'enfant là va faire quelque chose à sa maman. Quand elle gagne premièrement, c'est la maman. Deuxièmement, maman. Troisièmement, maman. Quatrièmement, elle va te faire. Tu n'as pas droit que non. Quand il a fait le... الألواح دي دي بباسور دي ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر ميت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وعافهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ربنا إن كانوا مسلمين اللهم فزدهم بلسانهم وإن كانوا مسلمين اللهم فتجاوز عنهم بأوزتك يا أرحم الراحمين ربنا عيد علينا رمضانا أواما عديدة اللهم عيد علينا رمضانا أواما عديدة وأزمنة مديدة وأزمنة مديدة اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر اللهم وفقنا ليلة القدر القادر بعوزتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من من من اتقاء شهر رمضان بعوزتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الاخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين